grand honneur pour moi que de transmettre de vive voix les félicitations et les meilleures vues de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de réaffirmer le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies ici au Niger euh, pour les années à venir, la construction d'un programme de développement, d'une réponse humanitaire en toute euh, cohérence avec euh, les priorités du pays et du nouveau gouvernement. Euh, je crois que les Nations Unies jouissent d'une euh, relation de longue date, de confiance avec le Niger. Et donc, euh, un nouveau président, un nouveau gouvernement ne fera pas exception à cette bonne collaboration, cette transparence dans laquelle nous travaillons. Donc, j'ai beaucoup d'espoir que les années à venir seront remplies de succès. nous travaillerons ensemble et nous sommes à votre soutien.